Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire de Studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des derniers développements de la situation autour euh, du coup d'État intervenu au Niger le 26 juillet 2023. Ensuite, nous parlerons de la fête de Bianou, cette fête du Nouvel An musulman célébrée à Agadez. L'actualité, c'est aussi les 9 jeu de la francophonie qui se tiennent euh, du 28 juillet au 6 août 2023 euh, à Kinshasa, en République démocratique euh, du Congo. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Memouna Diado, journaliste indépendante. Memouna bonsoir. Oui, bonsoir. Mon frère. Issa Madougou, journaliste indépendant également. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Abba Arimi, journaliste à la radio alternative. Abachari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 4 août euh, par les derniers développements de la situation au Niger au lendemain du coup d'État intervenu le 26 juillet passé. C'est le général de brigade Tchani Abdraman qui a été désigné à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Celui-ci a renversé le régime du président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023 il devient ainsi le nouveau chef de l'État. S'adressant vendredi à la nation, le général de brigade Abdraman Tchani a expliqué les raisons ayant conduit le CNSP à prendre le pouvoir. On l'écoute. L'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit des lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. Parlant d'incohérence et d'inefficacité, il faut véritablement s'interroger avec nous sur le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire de plusieurs chefs terroristes sans garantie aucune dans le contexte qui est le nôtre. Sur le sens et la portée du recrutement et du détournement à des fins politiciennes de plusieurs centaines d'éléments FDS en dehors du cadre militaire traditionnel et en les plaçant directement sous la seule autorité des politiques. Sur le sens et la portée de la décision d'un commandant en chef qui ordonne la libération des bandits lourdement armés pris sur un théâtre d'opération militaire au seul motif qu'ils seraient ses alliés. Le sens et la portée de propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. Vous venez là d'écouter euh, le général de brigade Abdraman chani, le nouvel homme fort euh, du Niger. Euh, Memoune Gado, vos commentaires Tour de table, vos commentaires Oui, bon, moi je pense que les raisons qu'il a données pour euh, ce qui est du coup d'État, ne serait-ce que les raisons sécuritaires, en tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il a avancé. C'est fondé. C'est fondé. C'est des raisons fondées. C'est des raisons fondées. En tout cas, quand je prends le côté sécuritaire, il a défini tout. Je pense qu'on a fait combien de fois nous parlons de cette situation sécuritaire, ne serait-ce que sur ce plateau, où on a attiré l'attention des uns et des autres par rapport à notre sécurité, par rapport à la manière où la sécurité et euh, la gestion de cette sécurité au niveau donc euh, du Niger. Où on s'est senti mal, même pas les militaires, on s'est senti mal quand on a vu un président de la République dire que les bandits qui nous empêchent, les groupes armés non étatiques, hein. qu'ils sont plus forts que notre armée. Mais <laughs> nous, on était choqués parce que tout simplement, on connaît la compétence quand même de nos armées. Et on l'avait toujours décrit ici, donner les moyens nécessaires pour que l'armée puisse travailler, puisse mettre fin à cette situation d'insécurité. On ne nous a pas compris, D'autres ont jugé que nous parlons à l'air, mais aujourd'hui, Dieu a donné raison à ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, en dépit de tout ça, ça c'est les questions sécuritaires. Il y avait la malgouvernance qui a été également faisait partie évoquée par, eh, le, euh, général de, le général de brigade. Parce que aujourd'hui, tout le monde a vu et tout le monde, en tout cas, même si tu l'as pas vécu, tu l'as vécu de loin et tu l'as vécu même si c'est à côté proche. Même si c'est pas toi, de tes, un membre de ta famille ou quelqu'un l'a vécu. Les Nigériens ont souffert. Ils ont souffert de la malgouvernance dans ce pays. Il y a des gens qui ont nargué plusieurs Nigériens ici, qui ont montré aux Nigériens par A plus B qu'ils peuvent voler dans les caisses de l'État. Ils peuvent aujourd'hui faire la corruption comme bon leur semble. Vous voulez parler de l'impunité mais, oui, ça fait partie de la malgouvernance aussi. Et on les a fait quoi un simple citoyen qui sort parce que tout simplement j'ai donné mon opinion, je me retrouve en prison. Ça aussi c'est un problème. Ça veut dire quoi Donc il fallait s'attendre à tout ça. Ça veut dire que tant que dans un pays, on l'a toujours dit, on n'aimerait pas avoir un coup d'État. Mais quand c'est nécessaire, <laughs> c'est pas nous, c'est le peuple nigérien, en tout cas, qui en a décidé. <laughs> Laisse-moi parler un peu. J'arrive. Non, non, non, tu, auras la parole. Non, en fait, c'est juste pour dire. C'est juste pour dire que c'est vrai, c'est une surprise pour nous. Personne ne s'attendait à ce qu'on a vécu le 26 juillet. Mais au moment où les Nigériens attendaient ce coup d'État, ce n'était pas le 26 juillet. C'était auparavant, un peu derrière. Ok, merci beaucoup. <laughs> merci, merci beaucoup, Allez-y, vos, commentaires. Oui, euh, merci. J'ai entendu, euh, déjà, on en a un peu commenté il y a une semaine, je crois, mhm. euh, les raisons qui sont avancées. je trouve que, de prime et à bord, un coup d'État euh, dans un système démocratique euh, n'est pas la bienvenue. Ça, au moins, c'est très clair. Maintenant, c'est que le chef de l'État, maintenant, le général Chani, de brigade Chani a avancé, c'est entre autres le fait que le président euh, Bazoum ait dit qu'il a libéré ça, nous tous, nous des chefs terroristes. Des chefs terroristes. Nous tous, nous l'avons déploré à, l'époque, d'une manière ou d'une autre, chacun a eu à condamner. Euh, l'autre aspect, en fait, je pense que en ce qui concerne le président Bazoum, ce n'est que ça qui est de sa la gestion sécuritaire du pays, de sa, gestion, parce que à mon avis, il y a eu des moments hein, où le coup d'État était attendu dans ce pays. Pendant cette période, il n'y a pas eu cela, et c'est venu à un moment où on on s'attend le moins vraiment à un coup d'État. Et c'est cela qui me pousse à dire que il faut que ça soit clair un coup d'État ne saurait justifier des problèmes de gouvernance, des, problèmes de, juste, de gouvernance, des problèmes même d'insécurité, encore que la GPS, euh, mes mots, ne saurait justifier un coup d'État. Maintenant, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, on est devant le fait accompli. Le débat doit être donc comment nous en, nous en sortir. Comment gérer, cette, la, situation, actuelle. Oui, voilà. Donc, euh, oui, quelqu'un qui prend le pouvoir doit nécessairement justifier. Là, ce qu'ils ont trouvé, beaucoup de Nigériens, euh, ce qu'il a dit, beaucoup de Nigériens ont trouvé que c'était léger, n'est-ce pas Mais quoi qu'il en soit, ce qu'aujourd'hui, nous avons nos plus grands gradés qui sont à la tête de l'État du Niger, et c'est cela qu'il faut gérer. Moi, je pense que peut-être qu'on va revenir dans le, euh, dans le vif du sujet, dans ce débat-là, mais l'autre aspect, les raisons qui ont poussé même si c'est parce que, euh, je ne sais pas, Bazoum n'a pas répondu à une, salutation de Gianni, on n'en est plus là. Parce que comment nous sortir dans une dans une situation où l'armée a décidé de prendre le pouvoir Les plus grands chefs de l'armée se sont ralliés, tous les corps se sont ralliés à ce coup d'État. N'est-ce pas Du coup, nos frères militaires ont pris le pouvoir comment nous en sortir de ce Tambroglio C'est de cela qu'il s'agit. Après, c'est les raisons. Ça peut ne pas tenir. Il peut même dire que non, hier, je n'ai pas salué Bazoum, il ne m'a pas répondu, j'ai fait un coup d'État. OK, il a le pouvoir en main. OK Et beaucoup, malheureusement, surtout l'opinion internationale, parce qu'à l'intérieur et à l'extérieur, l'interprétation des choses ne sont pas les mêmes cette même extérieure, quand ils se sont amusés à attribuer le prix bon Ibrahim, ah, on avait dit qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas pris en compte, que dans ce pays, il y avait des difficultés et tout. Ils n'ont pas regardé. Et voilà là où ça nous a mené Maintenant, comment nous en sortir Parce qu'on commence à en souffrir déjà dans notre chair. Merci beaucoup, Abakari Arimi. Issa allez-y, vos commentaires rapidement. Oui, merci, Mokhtar. Vous savez, la remise en cause des acquis démocratiques, euh, toujours condamnable. L'éruption de l'armée sur la scène politique est toujours à critiquer et à condamner, à critiquer parce que c'est vraiment c'est un recul démocratique pour nous. Mais aujourd'hui, tellement que les événements se sont passés de manière très vite et à une vitesse lumière, je pense que euh, il faut que euh, on dépassionne un peu le débat ce n'est pas maintenant le temps de chercher parce que nous-mêmes, en tant que Nigériens, on était là en train d'investiguer pour trouver, suite à la, déclaration du général Tchani, les vraies raisons par rapport à ce coup de force. Parce qu'on ne s'attendait pas à un coup de force ce 26, et surtout cette période. Donc maintenant, ce n'est plus ça. Essayons maintenant d'être unis par rapport à cette situation. Par exemple, c'est que la CDAO e est en train de nous faire. Nous, on a vu une CDAO qui, dans sa démarche habituelle même, a changé. Avant de d'imposer les sanctions, on sait qu'ils envoient des émissaires. Des délégations. Pour, venir s'enquérir un peu de la situation. Mais d'un seul coup, des somnobules, c'est là pour nous dire qu'ils vont nous envahir. Tout en oubliant, nous, que souvent ces sanctions-là qui nous imposent, plus l'intervention militaire, ce n'est pas ces militaires-là que mais ces 2 millions, euh, près de 2 millions d'habitants. Le palais se trouve à côté du plus grand centre hospitalier. À côté, il y a l'université. Il y a des populations riveraines qui sont là. Comment vous pouvez imaginer si vous êtes vraiment soucieux même de, de Bazoum Mohamed dont vous disiez que vous, vous voulez sa libération Vous voyez tout ce qui se passe autour de ce coup d'État. Il faut que nous nous concentrons d'abord sur ce qui est primordial. Par exemple, aujourd'hui, l'intervention militaire et aujourd'hui, ce double jeu ambigu que en train de jouer la France par rapport à cette situation. Merci beaucoup Issa Madougou. Diado, dans un communiqué publié par l'état-major, le commandement militaire des forces armées nigériennes composé du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armée à l'issue d'une réunion tenue le 26 juillet ont décidé de souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité. Que faut-il comprendre à travers cette déclaration de l'état-major à des armées nigériennes Mais c'est la solidarité militaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est un coup d'État. Un coup d'État nécessite aujourd'hui que les forces, les autres forces. Est-ce que cela veut dire aussi que le, coup d'État est déjà consommé Mais <laughs> Mokhtar, moi je ne pourrais pas dire que le coup d'État est déjà consommé. Mais pour euh, ceux qui observent, c'est vrai, quand on regarde déjà <laughs> ils ont déjà nommé les gouverneurs, les différents gouverneurs. Composés des, des, de l'armée nigérienne. Les régions du pays. Ils ont le, président, le nouveau, il a déjà son directeur de cabinet en place. Et il a mis. Euh, le secrétaire général du gouvernement. Voilà, donc ça veut dire que. Euh, euh, non, je ne dirais pas que c'est consommé. Mais j'ai dit, hein, pour un bon, pour celui qui observe déjà euh, la personne va se dire que est-ce qu'il y aura possibilité de rétablir l'ancien président qui est Bazoum Mohamed à sa place. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire que c'est consommé ou bien c'est pas consommé. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, l'avenir nous dira. Abachar Yarimi, euh, de retour au sommet extraordinaire de la CDAO eh, sur le Niger, le président de la transition tchadienne, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a effectué dimanche une visite à Niamey. Que peut-on retenir au sujet de cette visite du président tchadien ici au Niger Bon, ce n'était pas la personne euh, indiquée. On dirait que euh, à la CDAO, généralement le, le, le n'est pas membre de, de, la, CDAO. D'abord, ça c'est un. Et deux, lui-même, la manière dont il a accédé au pouvoir, c'est quand même un coup d'État, il ne faut pas se le, se le, cacher. En tout cas, moi, euh, sincèrement, je me demande qu'est-ce qu'il est venu faire. Est-ce que. C'est un, émissaire de la CDAO. Oui, c'est lui qui a transmis tous les messages qu'on connaît là. Et vraiment, je pense qu'ils euh, étaient tous mal inspirés. Et en tant que Nigérien, j'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. On a vu deux coups d'État successifs qui se sont passés au Mali, deux coups d'État successifs au Burkina, un coup d'État en Guinée. Euh, la CDAO n'a pas réagi de la même manière. Et c'est ce qui donne les idées à ceux qui pensent que, quelque part, notre ancien colonisateur est derrière les choses. Parce que c'est la France, c'est la France. Et parce que euh, ça, le, le, Niger qui lui échappe, ça veut dire que c'est le Sahel qui va, qui va lui échapper. Sinon, quelqu'un lui-même, il est auteur de, de coups d'État. Ici, on a eu à dénoncer, n'est-ce pas, le président Bazoum. Euh, les gens lui ont posé la question, il dit non, lui c'est le peuple tchadien qui a décidé euh, qu'il reste. Mais aujourd'hui, voilà dans quel rôle il peut être. Et il n'est pas un bon émissaire et on ne nous prend pas vraiment au sérieux par rapport à cette affaire. Moi, je pense que le président de la CDAO, c'est un, voisin à nous, n'est-ce pas Un des émissaires qui a voulu venir. C'est qui, le président de la CDAO C'est Tinubu, le Ahmed président, du, Nigeria. Le président du Bénin a voulu venir, on ne sait pour quelle raison euh, il a renoncé. Et donc tout ça, nous vraiment, qu'on au sérieux ce coup d'État qui vient de se passer au Niger, qui est un fait accompli, malheureusement, en ce sens que nous avons des dirigeants militaires qui sont là et qui se sont installés au sommet de l'État. Est-ce qu'ils vont accepter de partir Comment Est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, euh, le président Chani et la vingtaine ou la trentaine d'officiers supérieurs de l'armée euh, acceptent de se retirer Tout le monde sait que la question qu'ils vont se poser, quel sera notre sort Même si on arrive. selon vous, le vin est déjà tiré Pas que le vin est, tiré, parce que la CDAO veut passer outre ces principes de tout le temps, c'est-à-dire la négociation, les menaces et autres. Ils, là, là, ils font miroiter, ils font vraiment traîner sur, sur nos têtes que, les que comme quoi ils vont intervenir dans notre pays. Et ça, heureusement, d'ailleurs, moi je pense que c'est ce qui a davantage soudé les rangs des militaires. Et c'est des choses vraiment qu'il faut carrément peut-être rattraper ou en tout cas reprendre la liste de ces menaces-là et enlever ça. Parce qu'aucun Nigérien, à mon avis, ne va accepter. Parce que nulle part, on a vu là où... ne faut pas dire qu'aucun Nigérien ne va pas accepter. Il faut dire que vous, vous <laughs> n'allez pas accepter. Non, je pense que même ceux qui, le disent, qui, ils sont sous euh, l'effet de l'émotion et ils ne se sont pas posés des questions sur tout ce qui s'est passé en Guinée, euh, en, Libye, en Syrie, en Irak, ce qui est en train de se passer en Afghanistan. Jamais ça n'a marché. Ça, c'est un. Parce qu'il s'agit de chefs militaires qui ont étudié les mêmes écoles que tous ceux qui peuvent venir de par le monde entier, n'est-ce pas Qui savent que si on les fait chasser, ça n'est fini pour eux et pour leur progéniture. Mais un homme qui accepterait ça, il est où Merci beaucoup Arimi. Issa Madougou. Après l'annonce du coup d'État, des manifestations de soutien au CNSP ont eu lieu dans plusieurs localités ici au Niger. Quelle est votre opinion au sujet de cette série de manifestations Oui, ces manifestations le plus souvent spontanées ou à l'appel de quelques structures témoignent que euh, l'armée est bénéficie toujours, quelque soit, toujours du soutien du, peuple, quelles que soient les conditions par lesquelles parce que je l'ai dit tout à l'heure que c'est condamnable euh, l'irruption de l'armée sur la scène politique. Mais est-ce que c'est tous les Nigériens qui comprennent euh, cette cette oh oui, les manifestations, vous savez, on a entendu plusieurs commentaires pour dire que ce sont des manifestations guidées par des Russes ou bien, je ne sais pas, par un lobbying Wagner. Non, il faut qu'on relativise les choses. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, même le paysan savent que s'il brandit devant un Français le drapeau russe, il, va trembler. C'est juste une façon de provoquer. C'est pour dire leur refus. Ce n'est pas que aujourd'hui nous avons des connexions avec eux, avec Wagner. Nous, notre armée, on l'a toujours dit. Même le président duchy avant vraiment qu'il y a ce changement dans sa manière de voir des choses, eh, le président Bazoum, dans au début, première avant qu'il n'effectue cette visite en France, ou devant même Macron, il a dit on n'a pas besoin de votre présence nous, ce qu'on a besoin, c'est la logistique. les informations, la formation. On peut faire ce travail. C'était son discours comme ça. Et aujourd'hui, les Nigériens ont sont dans leur droit, Même des analyses sécuritaires françaises ont reconnu, ils sont dans leur droit pour accuser la France de complicité. Parce qu'il y a quatre groupes qui se trouvent, par exemple les soldats français, les soldats nigériens, les populations civiles et les groupes armés non terroristes. Les soldats français font voilà. Les, les, les, les, soldats français sortent, font leur ratissage, rien ne se passe. La nuit, les mêmes villages par lesquels ils sont passés, les terroristes passent, massacrent les gens ou les sommes de quitter. On attaque les positions des de, forces de défense et de sécurité nigériennes. Mais on ne sent pas aucune attaque euh, contre, les Français. Et c'est bien normal. Ça, c'est des choses qu'il faut que les gens aussi se mettent dans notre place. Les manifestations là qui se sont, moi, la seule chose que j'ai pas aimé dans les manifestations, c'était les débordements. Vraiment, sans prendre les euh, les sans prendre au bien d'autrui. Vraiment, on n'est pas à ça. Nous sommes tous les mêmes Nigériens, quel que soit. Moi, je pense que la frustration ne devrait pas primer sur la lucidité quel que soit le degré de, frustration. Il, euh, Il y a des choses qu'on ne devrait pas, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que ce Niger. Et ces mêmes gens-là, ce sont souvent des connaissances, ce sont souvent des familles, même s'ils ont déconné, laissez-les. S'il y a un temps de faire la lumière sur les choses, c'est la justice qui va, mais se faire soi-même justice, c'est ça que moi je n'ai pas aimé dans ça. Et c'est pour cela que n'appelle aux organisateurs de manifestations, vraiment comme on le voit dans les autres pays, de veiller bien encadrer ces manifestations. Que ces manifestations se déroulent dans l'ordre et démontrent que c'est uniquement l'esprit patriotique qui fait sortir les gens. On a vu au Mali, au Burkina, après même la manifestation, les mêmes organisateurs, accompagnés d'autres manifestants, se retrouvent sur les lieux pour faire le nettoyage. C'est ça qui démontre aujourd'hui que c'est vraiment sur le patriotisme. Et comme je l'ai dit, l'heure n'est plus là à chercher les causes, à justifier le coup d'État. L'heure est à l'unisson les assises pour bien cadrer la, la, transition, on les fera après. Mais il faut qu'aujourd'hui, on trouve les voies et moyens pour contrer cette menace-là qu'on pensait qui vient des gens avec qui on a partagé une communauté vraiment avec une vision et aujourd'hui qui sont en train de se nommer. C'est déplorable d'entendre la réaction de certains euh, diplomates, même de, la CDAO. Quand on prend par exemple ce que la ministre des Affaires étrangères dit, le Sénégal est prêt à envoyer des troupes si la CDAO. Mais je salue aussi la pertinence du ministre des Affaires étrangères du, du Bénin, qui a bien pesé ses mots malgré tout ce qu'on veut lui faire dire dans ses interviews, non, ils privilégient le dialogue. Moi, je pense que c'est ça. Il faut venir dialoguer avec les Nigériens. Parce que nous-mêmes, entre Nigériens, on est capable de se parler, de se pardonner, de se regarder et d'orienter vraiment toutes les énergies vers une même voie afin de pouvoir sortir du Niger de cette situation. Merci beaucoup Issa Madougou, Maimouna Diado une intervention militaire au Niger pour rétablir euh, le président Mohamed Bazoum renversé par un coup d'État serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali, a indiqué le 31 juillet un communiqué commun des gouvernements du Ouagadougou et de Bamako. Quelle analyse vous suscite cette déclaration conjointe de ces deux pays voisins du Niger <laughs> D'abord, euh, il faut parler d'abord de la CDAO. Moi, je pense que en fait, la CDAO euh, a mal analysé cette situation du Niger. Ou bien ils font exprès, parce que tout simplement, comme on l'a dit, c'est des syndicats, c'est un syndicat. Parce que si vous êtes pour l'intérêt, pour l'intérêt en tout cas de ce cette Niger communauté, l'intérêt de, la CDAO que vous avez dit comme euh, l'intérêt du Niger, vous, du peuple nigérien, vous n'allez jamais vous réunir pour au moins oser même parler d'envoyer une armée sur le Niger. Mais c'est grave. Mais dans ce cas, ci la CDAOV avait, cette euh, possibilité de réunir toute une armée contre un, pays, en tout cas souverain, mais comment est-ce que aujourd'hui les djihadistes qui sont en train de tuer nos frères dans le Sahel, ils n'ont pas pu se réunir autour de ça Mais c'est grave. Mais c'est grave. Mais dans toutes choses, il y a ce qu'on appelle le langage il y a ce qu'on appelle la parole en soi, il y a ce qu'on appelle la négociation douce. Vraiment, on n'est pas arrivé, on ne devrait pas arriver à cette situation s'ils se sont réunis. Ils nous ont d'abord laissé entendre d'abord le peuple nigérien avant de poser cette question-là, d'envoyer une armée de militaires ici au Niger. Ça, c'est grave. Et je suis sûr que tout Nigérien, en tout cas, tout Nigérien n'osera pas, en tout cas, qui vient du Niger, n'osera pas prédire cette situation pour qu'on vienne, pour qu'on lance l'armée. C'est grave. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est que d'abord le président sénégalais, il n'a qu'à finir d'abord avec cette situation au Sénégal. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui chez lui là, il y a le feu aussi qui est a attisé là-bas. Merci beaucoup à tous. L'autre Tinoubou là, nous on pensait Merci pas que... beaucoup à tous. on, a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Au Niger, le Bianou est une fête se déroulant vers le dixième jour du mois de Muharram dans le calendrier musulman. En 30 jours après la fête de la Tabaski, elle dure 23 jours. Agadez est le lieu initial de cette fête qui s'est étendue par la suite à Alit et à sa sous-région. Cette fête célébrant l'égir est considérée comme le moment le plus propice au pardon des péchés commis au cours euh, de l'année. Euh, sur le plan euh, religieux, cette fête marque l'accueil réservé au prophète Mohamed paix et salut et ses compagnons par les habitants de Médine lors de l'égir. Qu'est-ce que le Bianou symbolise pour les ressortissants d'Agadez C'est une fête religieuse, mais culturelle aussi et sociale. Euh, c'est une fête, euh, je le disais ailleurs, initiatique aussi, parce qu'on dit que euh, c'est une fête de trois jours, mais ceux qui sortent de la ville pour observer une retraite le font pour quelques jours, et c'est leur retour qui est fêté, ce qui constitue l'apothéose de, de cette fête-là. Et donc c'est vraiment à l'unisson que ça se fait. Euh, c'est les femmes, les jeunes, les enfants, les vieux. Tout le monde euh, participe et c'est vraiment euh, pour célébrer. Tel quand le prophète est venu à, Médine, vraiment un retour triomphal dans l'unité des cœurs et des esprits. Et donc c'est bien sûr que Agadez en a fait sienne cette fête-là. Euh, c'est devenu vraiment une pratique euh, rare dans le monde entier et c'était un, pôle, d'attraction, euh, y compris des touristes. N'est-ce pas, aujourd'hui, l'insécurité fait que beaucoup d'étrangers ne peuvent pas venir pour assister à cette fête-là. Mais c'est assez original. C'est assez original en ce sens que eux, les Agadésiens, vraiment considère ça comme une occasion de se pardonner, comme on le fait hein, dans la religion musulmane à l'occasion de la fête de Tabaski, à l'occasion de la fête de, euh, Ramadan. mais aussi c'est une occasion supplémentaire pour se présenter des excuses. Et euh, vous le savez comme moi que c'est généralement vraiment très sincère en la matière. Et donc c'est vraiment pour apaiser le cœur, pour tourner les pages et pour vraiment se mettre à nouveau à vivre ensemble. C'est vraiment pour euh, vivre ensemble, pour, le, pour la coexistence euh, pacifique n'est-ce pas En tout cas, au moins pour pacifier, s'il y a des conflits à euh, la matière, c'est l'occasion pour les chefs de tel ou tel autre camp, vraiment de se présenter les excuses. Donc c'est une fête culturelle très prisée, et qui mérite une attention, je le disais euh, il y a quelques jours, que euh, ça mérite, n'est-ce pas, pas d'être implémenté dans les autres régions, mais d'être vu vraiment une. Euh, mais, oui, mais comment faire pour promouvoir euh, cette, euh, fête C'est une couverture médiatique, le vous le savez, c'est une couverture médiatique vraiment beaucoup plus importante. Mais comment expliquer le désintéressement des autorités au plus haut sommet à l'égard de cette fête Bon, cette année, c'est particulier, on le sait. On ça a été chamboulé par. Ça a avec, euh, le coup euh, d'État. départ, en tout cas, par, le coup d'État, c'est voilà, ce qu'il faut dire. Donc, l'arrivée de nouveaux dirigeants, le, départ ou en tout cas l'incarcération des anciens dirigeants. Donc, il n'y a personne pour s'en occuper. De, nouveaux gouverneurs sont nommés, ils n'ont pas encore occupé. Voilà. Mais même avant, euh, ça ne fait pas, les, les gens d'Agadez font l'effort de communiquer au plan national, mais il n'y a pas un accompagnement, je dirais, du ministère, par exemple, de la culture. Ça doit être un événement culturel national je le disais tantôt aussi que ce n'est pas la seule fête culturelle nationale qui mérite un accompagnement de l'État. Il y a, oui, le Bianou, mais il y a le Guérol. Et je, pense, je, parle aussi à une fête. la cure salée aussi. La cure salée, une fête qui a cessé d'exister dans la région de Difa. C'est le Shimaorum de Ningimi. C'est une fête extraordinaire où tu verras vraiment tu auras du plaisir pour tes yeux. Malheureusement, nous-mêmes, on était tout petits quand ça a cessé et ce n'est plus. on peut restaurer cette fête-là pour que justement euh, le pardon, euh, le plaisir de se retrouver ensemble, parce que tout ce beau monde qui s'est fait la guerre, c'est des gens de la même famille, il ne faut pas se les cacher, c'est des gens issus du même terroir. Donc, vraiment, c'est l'occasion de... Quand il n'y a pas ça, la nature a horreur du vide. Et donc, il faut vraiment revivifier ces fêtes-là. Il faut que l'État le soutienne il faut que les régions les soutiennent parce que généralement c'est des, cérémonies, des activités qui sont portées par ou la chefferie traditionnelle seulement ou vraiment des groupes de personnes euh, parce que de père en fils, ils ont vu se dérouler et ils ne veulent pas laisser mourir. Non, justement, ça ne doit pas mourir, mais avec la contribution de tous. Les Nigériens doivent être informés du déroulement de toutes. On parle aujourd'hui, regardez, il y a des festivals qui se, font, qui se, qui se passent euh, en Europe. Mais étant donné qu'ils ont envoyé nos salons par leur chaîne, mais tu as l'impression que c'est à Niamey que ça, tout, ça se passe. On peut donc en faire, en faire aujourd'hui, euh, malheureusement, la couverture médiatique avec le numérique, avec le téléphone et tout, ne coûte pas aussi cher qu'avant. Donc on peut créer les conditions pour aussi faire savoir que ça bouge chez nous, que nous, ne faisons pas que la guerre, nous ne faisons pas que les coups d'État, nous faisons aussi de la fête. Merci beaucoup, Abakari Arimi et sur le plan culturel, euh, durant 23 jours, ce festival est marqué par plusieurs activités euh, comme euh, le coup de tambour pour implorer la bénédiction d'Allah, des danses rythmées menées par des hommes qui arborent leur plus grand boubou ou la tête couverte par leur turban, comme il est de coutume dans la région d'Agadez, sabre ou lance en main. Comment décrire la beauté culturelle culturel de l'événement Je pense qu'il faut saluer la détermination, l'engagement des populations d'Agadez à vouloir toujours conserver euh, cette manifestation. Vraiment, moi je les salue. Euh, vraiment, c'est vraiment la preuve que c'est une résilience qu'ils ont fait montre pour démontrer que la culture aujourd'hui n'est pas un secteur abandonné. Quand on regarde au Niger, les parents pauvres de toutes les politiques qu'on nous dicte ici, là, c'est le sport et la culture. Il n'y a pas assez d'investissement. Pourtant, toutes les activités culturelles que nous avons, qui ont existé aujourd'hui dans ce contexte-là où on a besoin de, des Nigériens, des filles et des fils du Niger, où on les invite à l'unition, c'est des fêtes qui ont pour base la cohésion sociale, le pardon et le vivre ensemble. Donc il faudrait les valoriser. Moi, je pense que ce qui est en train d'être fait, c'est le seul pays où tu n'as pas un agenda culturel proprement dit annuellement. C'est le seul pays dans la sous-région où tu n'as pas un agenda culturel qui est là où tu sais à quelle période il y a cette fête, où on crée les conditions pour qu'il y ait de la visibilité autour de la fête. On prend le cas simplement qu'on s'arrête toujours à Agadez. Agadez est connu comme un vivier du tourisme depuis des années, c'était la léthargie. Les gens se sont, il n'y a pas d'appui, les gens se sont versés maintenant dans le transport des migrants. On a fait tout pour les populariser avec des promesses mensongères. Jusqu'à aujourd'hui, certains sont, ils n'arrivent plus à faire d'activité. ils sont versés dans, ils sont perdus. D'autres sont versés dans l'insécurité, dans des activités illicites. Voilà des moyens aujourd'hui. Moi, je pense que comme on est aujourd'hui dans le cadre, on dit aussi, d'une nouvelle dynamique, je pense que la culture devrait être un secteur qui devrait nécessiter et attirer autant d'investissements. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse allouer des fonds pour la cure salée oublier, par exemple, le Bianou. Le ou l'aspect culturel, religieux, le bien social, le bien fondé, le raffermissement des liens en constitue même la cure salée qui était tellement avant. beaucoup, quand vous faites aujourd'hui le tour dans ces zones, vous demandez à des, des, gens qui participaient avant, ils vous disent que non, c'est devenu institutionnel. Eux ne se retrouvent plus dedans. Donc moi, je pense que c'est le lieu de recadrer les choses et de faire des politiques basées vraiment sur ce qui, est, qui a de plus-value pour nos communautés. On peut les confier, euh, c'est dans le cadre de, régional, soit au conseil, oui, de, de le mettre sous la coupe du conseil régional qui regroupe euh, un peu toutes les composantes, et de créer des comités pour que chaque région aujourd'hui puisse avoir son calendrier culturel, qu'il y ait des des, des, des, des, appuis budgétaires pour bien organiser cela. Cela va d'une part contribuer vraiment à faire la publicité sur les, ah. nos valeurs ah. culturelles que nous avons. Cela va essayer aussi d'occuper, de créer une certaine économie autour d'eux. Aujourd'hui, si tous les Nigériens convergent. S'il y a eu tellement de, depuis des années, on dit une grande partie des Nigériens convergent parce qu'il faut cela aussi, il faut inculquer, il faut amener les Nigériens nous-mêmes à nous intéresser nous-mêmes à tous ces euh, festivals-là qui se déroulent sur notre territoire, que des Nigériens convergent vers là. C'est aussi euh, une valeur ajoutée à l'économie. Donc, par l'économie, mais par la culture, on peut développer le pays. C'est euh, extraordinaire. On le voit, par exemple, quand je prends, quand vous, tout à l'heure vous donnez les exemples des festivals qui se déroulent. On prend Avignon, le festival d'Avignon. Le carnaval du Brésil au Brésil. Oui, on prend Avignon tout récemment. Façon dont, parce que oh, oh, on, <laughs> tellement qu'il y a eu la communication, on se sentait même à Avignon. on, a, ben, on a besoin de ça. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est ça qu'il faut appuyer ces gens-là. Parce que vraiment, je dis d'abord pour finir, je réitère encore vraiment mes sincères félicitations et remerciements à l'endroit de la population de Dagadez qui ont toujours avec courage, abnégation, ont pu continuer à célébrer cette fête dans la joie, l'allégresse, tout en conservant les valeurs. Il n'y a pas de détérioration. C'est ce qui est extraordinaire, cette résilience culturelle et historique qui démontre une fois de plus que nous avons un peuple vaillant, un peuple que à lui seul peut faire changer les choses si on croit en lui, si on l'accompagne, si on l'écoute, si on l'oriente, les choses peuvent bouger. Merci beaucoup Issa Madougou, Au plan social, les festivités du Bianou renforcent la cohésion sociale, Issa Madougou vient de le dire, entre les différentes communautés de la région. Comment renforcer et promouvoir davantage le Bianou à Agadez mais est-ce que moi je saurais augmenter ou dire ce que les deux confrères ont déjà dit Parce que ça, en termes de renforcement, ils l'ont déjà dit. En termes de restructuration, le, le, gouvernement nigérien investit dans l'organisation. Ils l'ont dit, ils l'ont dit, ils l'ont dit. Tout ce que moi je, pourrais dire, c'est que euh, le gouvernement doit revoir sa copie pour que la culture nigérienne, je dis la culture nigérienne dans sa globalité, puisse aujourd'hui être quelque chose qui peut rapporter pour le pays. C'est très important. En tout cas, un pays qui n'a pas de culture, c'est pas un pays. Et moi, je suis sûr que euh, de la même manière où on investit dans les autres secteurs, il faut également essayer de voir, à part la cure salée, essayer également d'investir, de regarder de l'autre côté de Bianou et de regarder aussi s'il y a d'autres cultures parce que c'est pas uniquement Agadez, il y a d'autres régions aussi qui ont leur propre culture. Est-ce qu'on ne peut pas les valoriser davantage, les faire connaître aux populations, les faire en tout cas connaître à, l'extérieur pour que euh, quand la fête euh, il y aura ces, fêtes, ces, ces célébrations, puisse puisque ça puisse drainer aussi beaucoup de monde. Moi, je pense que les deux confrères ont tout dit. Moi, je ne fais que augmenter ce que euh, <laughs> ils ont déjà dit. Parce que si c'est investir, il faut investir. Merci beaucoup, Maimouna Diado. Abakarianmi, la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, accueille depuis le 28 juillet les festivités des 9e Jeux de la francophonie. Euh, les Jeux de la francophonie sont une compétition multisport et un ensemble de concours culturels en épreuve individuelle ou, par équipe organisée par le Comité international des Jeux de la francophonie et le Comité national national des Jeux de la francophonie euh, sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour euh, sa première euh, sortie dimanche, le MENA U20 du Niger a été battu sur le score d'un but à zéro par les Lions Indeptables du Cameroun. La sortie suivante, mercredi 2 août, contre le Liban, les U20 du Niger ont battu l'équipe du pays des sur le score de 5 buts à 0. un commentaire rapidement non, euh, écoutez, notre équipe U20, euh, on sait que c'est vrai qu'on n'a pas été très brillant à Abidjan euh, à, l'occasion de l'IFOAB, mais il faut retenir que nous avons des jeunes U20 qui sont très bien. Qui sont très bien, et là, ce n'est pas n'importe qui qui nous a battus, c'est le Cameroun. Bon, le Liban, ce n'est pas aussi une foudre de guerre, il est vrai. Donc, il faut attendre le deuxième match, le troisième match si on passe, euh, et puis ce n'est pas beaucoup de pays vraiment de football qui prennent part à, au jeu de la France, à la compétition, et donc peut-être qu'on peut, euh, tirer notre épingle du jeu, euh, pourquoi pas l'argent ou peut-être l'or, c'est difficile parce que les Français sont là, parce que euh, le Canada est là, parce que, mais bon, c'est toujours possible parce que ces jeunes, je crois qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les autres disciplines, la culture aussi, je crois qu'on a beaucoup à dire. Euh, c'est avec euh, la nouvelle de Nourat, n'est-ce pas, qui était en demi-finale, si j'ai bonne mémoire. Hier, je ne sais pas ce qui s'est exactement passé. Kitari aussi était en compétition encore jusqu'à hier. Le compteur aussi, et même d'ailleurs ceux qui ont euh, les mannequins. En tout cas, je crois qu'en culture, on a même beaucoup plus de chance peut-être. J'ai vu aussi, il faut leur rendre hommage, que deux Nigériennes euh, non-voyantes, mhm. n'est-ce pas, ont aussi rapporté euh, une médaille en argent et une médaille euh, en, En, lutte traditionnelle. Le Niger va lutter contre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Oh, ben, écoute, en lutte traditionnelle, dans le monde entier, il n'y a que le Sénégal qui nous inquiète. crois vous voyez déjà le Niger en finale Au moins, en, en tout cas, en argent. Selon vous, comment sera l'issue si le Niger croisera le Sénégal en finale quelle sera l'issue Écoute, dans la catégorie euh, des moins lourds, on va remporter. Et ils vont gagner dans la catégorie des plus lourds. Euh, ça a toujours été comme ça. Euh, parce qu'ils investissent beaucoup dans les lourds parce que c'est devenu un véritable spectacle la lutte chez eux. Ce n'est pas le cas encore chez nous, ça, ça, reste un peu folklorique, alors que nous devons, nous pouvons les atteindre. Euh, on a vu déjà que leur on a, il est arrivé que l'Angalanga terrasse leur lourd. Ici, ça, ça, c'était hier, même, le, même, même Mohamedou euh, de, de avait aussi terrassé. Euh, ah, bah, Ibrahim. Bah, ça, c'est ça, c'est plus récent mm-hmm. encore. mais c'est juste vraiment l'investissement en la matière qu'il nous faut vraiment améliorer l'investissement financier, mais aussi humain, de la, vraiment la valorisation de ce que nous faisons en tant que la transformation des choses en pôle, économique, c'est à l'ordre du jour. C'est de ça qu'il s'agit pour notre lutte aussi. Ça doit être une lutte qui va contribuer à donner du boulot aux jeunes, à donner vraiment du boulot aux pratiquants et à être un pôle où rien que la billetterie peut nourrir les lutteurs. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Issa Madougou, journaliste indépendant et et Abba Arimi, journaliste à la radio alternative. Euh, merci à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Rendez-vous euh, samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes euh, suivi de tout à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche, c'est lui en Zarma. Merci aussi à la technique côté sont assurés par euh, Abdullah Yakouba et à la réalisation Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.